Kaulak ville bu maga maga mag na weesu fu waxé ay question assainissement Kaulak waron na weesu fu waxé ay question transformation Kaulak waron na weesu fu waxé question hygiène Kaolak, waroon question de chômage des jeunes le président de la République je sais que bimi Ngulgi ngourgi promettre gi draguer géej recevoir bateau du

le département bu nekk biir Sénégal et je ngi jël engagement ni bu ma yàlla ndam département bu mu mën a doon ci Sénégal vous gis sa bopp le koom-koomu réew sa ci investir il nous faut très rapidement un changement qualitatif un changement sérieux dans du sérieux et sur du sérieux un changement par la compétence, par la rigueur, un changement par la vérité et la justice. Et c'est seulement ce changement-là qui nous permettra de façon durable, à travers l'agriculture, à travers l'industrialisation, à travers l'autonomisation des femmes, à travers l'encouragement et le renforcement des paiements de réserver définitivement le chômage nous avons fait, nous avons fait, mën avons fait, ni sama wax nous aussi ak li programme le Sénégal bon à et beau avoir voir y wax yenn comme l'ennemi aussi aussi respecté